Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou, l'émission qui vous transporte aux quatre coins du Niger. Moi, c'est Ruka et aujourd'hui, je suis avec Fanta Chamsou. Bonjour Fanta, comment tu vas je veux bien Rukaya, Alhamdulillah. Avant de démarrer cette émission, chers auditeurs, permettez-nous de saluer ceux qui œuvrent en coulisses pour rendre cette émission possible. Derrière les machines, nous avons Abdulkader Tchombiano, notre génie de la technique, et Adam Adawaki à l'édition. Alors Rukaya, quoi de neuf ce matin Ce matin, Fanta, il y aura le flash d'informations comme d'habitude de la culture linguistique, la page sport, la rubrique hebdomadaire sur l'environnement. Nous ferons aussi un tour à Mangaise, région de Tilabé, de la rubrique Écho des régions. Et dans la partie entretien, vous en saurez plus sur la vie à l'internat des jeunes filles à est, à travers une interview que nous a accordée Madame Yatin Girimay Abdou, surveillante de le internat. Chers auditeurs, nous ouvrons cette émission avec les actualités présentées ce matin par Nafisa Bonjour Nafisa. Bonjour à vous Fanta, bonjour Kaya. Bonjour euh, Nafisa et quelles sont les nouvelles de ce matin Le programme des Nations Unies pour le développement annonce un investissement de 9 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'énergie au Niger. C'est à l'issue d'une rencontre avec la délégation des directeurs régionaux des Nations Unies et le Premier ministre Lamizène cette semaine. Ce projet vise à renforcer les infrastructures énergétiques du pays afin de répondre à la demande croissante de la population pour une énergie durable et fiable. Ce 19 juin est célébrée la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose sous le thème La drépanocytose, parlons-en. Selon le ministre de la Santé publique, au Niger, 5,1% d'enfants naissent drépanocytaires, soit une prévalence élevée estimée à 23,2% pour les porteurs de traits drépanocytaires et 4,5% de syndrome majeur. Les décès liés aux complications sont enregistrés essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans non ou mal suivis et les adolescents et les femmes enceintes ignorant leur statut. Enfin, dans un communiqué publié le mardi 18 juin 2024 et relayé par les médias, l'état-major général des armées du Burkina Faso a démenti les rumeurs sur des mutineries ou des mouvements d'humeur des soldats au sein des casernes militaires. Selon la même source, il ne s'agit que d'informations mensongères véhiculées par des groupuscules d'individus au dessin Funesta. C'est ici que prend fin ce flash d'information. Merci beaucoup Nafisa et à très bientôt. Bonne suite. Fidèles auditeurs, nous l'annoncions plus haut. Et ce matin, euh, dans la partie entretien, nous, aurons, allons plutôt écouter Madame Yatingrimay Abdou. Elle est surveillante à l'internat des jeunes filles de Kelly. Mais avant Rukaya, nous allons servir à nos chers auditeurs la première musique de notre playlist du jour. Il s'agit des Maliaro qui nous chantent la paix. serrons les mains dans les mains pour un Niger uni et prospère. Nous en avons besoin, n'est-ce pas, Fanta Surtout dans ce contexte d'insécurité qui se vit actuellement dans certaines localités de notre pays. Virukaya, ce titre, la paix de l'artiste Maliaro invite l'ensemble des Nigériens à s'unir et à œuvrer dans la paix et la cohésion sociale. Chers auditeurs, après cette belle euh, chanson euh, pleine de sens, nous allons écouter la première partie de l'entretien du jour. Ici, Madame Yann Tingirimay Abdou, surveillante à l'internat des jeunes filles euh, d'Ekele, nous présente cette institution qui œuvre dans le maintien des jeunes filles à l'école. On l'écoute. da farko da abin da muke son mu je ita wannan makarantar ya take tafiya yanzu kun kai yara nawa da ke da ku a cikin wannan internet internet kin kelle dai graduation kin ta october 2021 sannan kuma mun fara da san 11 to yau muna da 319 troisième kenan shekara uku yau muna da 319 elefin duka suna nan kwamfan dcm sankem katalem kenan a matsayin ku na servant menene kuke masu wa'annan yan mata oh yara dai sai a ce masha Allah muna fama da su kan to muna nan tare da su sahi da marce dare da rana anan mu ma anan muke mu biyu servant muna nan tare da su na nan lokacin abincin su mu tai su da dauki abincinsu su ciki zuniyar in sun yi sun kare bayan abincinsu sai su koma daki su su fara karatunsu inda rana ne su yi hutunsu a partir da sai zai su fara karatunsu. tun farko dama kuke tara su da to eh da hwari da asuba sai mu tattada su amma yanzu su da kansu tun asuba in yayi ma tashi suke su tashi su yi sallansu sai su fara wankansu tunda in ba su fara ba tun da sahiri tar za su yi tun da wuri wuri saura suna wankan saura suna sallah su sun kare kuma saura su su shiga su yi wankan su haka suke a turdiran akwai wasu suna son karatu wasu ba su son karatu masu niyan karatu suna yi kuma akwai wanda karatun ma kwata kwata rubutu ma ba su iya ba akwai a cikin su kuma akwai wanda sun iya ba su yi kenan ba su da volunteer ba su da niyan yi kowanne iri suna nan a cikin akwai guri guda to ya kuke eh. kaman kuna kama musu kuna taimaka musu wajen su yi karatu kuna fusan eh, su muna fusan su muna fusan su lokaci akwai lokacin da muka sa na karatu kamar for example da lokacin da ban mu da wuta a partir da zan la'asar su huta dukkan da kayunan su su yi karatu muna surveillance suna yi kuma yanzu da muka samu ta suna yi da la'asarkin suna yi da dare ma kuna tare da yan matan nan da aka bude kun ga yadda suke shiga a cikin makarantar nan ya kuke karban su kamar kawo su ake yi suke zawa da kansu to primary a ne kin dai kawo su ake faran suke kawo su in sun kawo su yan shi shikenan yanzu gaban nan duk zama ne su kadai suke zuwa dela rantare na kwari da ake kawo su in sun ta kwanje ma gaban nan su kadai suke zuwa kuma fenda ne ma la rantare ma an sin kin su kadai suke zuwa sabbin ne uwaye suke zuwa tare da yaran dan su ga gurin mazamnin su da uwaye ba su da wata reticence ba su ganin matsala kan ka baro ya fito daga gari ya shigo ko kuma dama a cikin garin ne suke su 'yan matan suna su cuto ranar wani gida sai ake ɗauko su ana kawo su da lokacin da babu yantar nan in sun samu examen ma ba zauwa suke ba kawai a suna ne a kawo sunan su au niveau de ses mazan suna zuwa mai matan ba su zuwa yanzu a beklin tarna da aka bude interna yanzu matan ma zuwa suke daga sun samu a ce musu aika musu ake a ce yara haka kaza sun samu wannan su zo akwai interna a kyalle su zo yanzu ba aika musu ba sai su zamna akwai saura ga sunayen su ya zo ba su zo ba in an yi convocation ce ba a gaya musu ba Mm. an gaya musu sai su zo yauwa suke in sun kawo uwayen sun gani mazamnin su su ma daji suke ji To da ku da abokanan aikin ku provisor, intendant, mushani da sauransu, ko akwai wata gudunmuwa da kuke kawowa domin da yaran da iyayensu su yarda su zo wannan makarantar, kamar kuna wani sensibilization da sauransu? Eh, sensibilization muna yi. Muna duk in sun kasu ce ga da suke yaran wannan sun samu guri karatu duk yaro mutumin da ya bar ɗiyan shi suna karatu ga suke zama muna musu samce kice mu shinan nan da kuke gani suna taya garin ku suna koya likitoti da ake kaiwa duk daga lakulki ne wata ranar ba baki za su zo ba yaran naku su ne za su yi a garin ku muna yin sensibilization a haka nan yaran suna dauka dai suna dauka me yaran ne yanzu na kwari-kwari na wanda suke kawo sutula premier a ne ba su tsammanin kamar za a bude international a kawo yara kenan dole dobi elef kinan sun ta yi alise ali ba su da nivo kuma kutke kutke nan an bude internet dole za a kawo su sun zo ne to su ne yanzu problem kin nan da ake cewa ba da nivo wani wane ne wannan su ne sinon deuxième année troisième année kin nan sava kaman ya kuke sensibilize kuna tara mutane ne kuna ta ya avar ne ko in sun zo ne kuke gaya musu a to yanzu da wani nivo da college kin yanzu da muka zo internet ban mu ta me na yi zaman uskofi lokacin da na yi zaman sukofi muna sensibilisation muna fita daji muna sensibilisation faran da ya bisa a sa yara lakwal in sun dama in sun yi resir ma wani mai muna gaya musu a lokacin ne yaran faran ki ma suna ce mana gide ba ba mu kiya ba in mun samu yaran namu ma babu gurin zama ne in sun tayi ma shi yasa suke koma otar kuma shi ne ma aka bude internet C'était Madame Yatingrimei Abdou, surveillante à l'internat des jeunes filles de Kelly. Chers auditeurs, avant de continuer cet entretien marquant une pause musicale avec le son copto de Mahmoud Abdesalam. indai na te ye ta ye ta ai mo ai ne di bi ganda indar mara di bi ganda ma je ta bai gandu kala indar mara di bi ganda ma ta bai matkan kare di moro isa matkan banga di moro isa matan zangwe bor moro hamisa ya di no dar ma di moro bundu bundu hagawa ula agawa ubai hagawa sannan na ɗauki hanya kuma hanya ta maganda garbainya kulsin da kwamto daga wani dan ba zaba ne ana ce mai kudi zai na ce mai hai kudi zai garbainya kulsin da kwamto a nai sai duba garano ga kano nai sai duba garano ga kano na duba garano ga kano na jo kulsin da kwamto a nai sai damu ga kano nai sai damu ga kano ದಾರ್ಮೈಗ ನಾನ ಇದ ಬೋರ್ನ ಜೀವಿಗ ದಾರ್ಮೈಗು ದಾನು ಮಲೈದು ಹೋಗ ದಾರ್ಮೈಗ ನಾನ ಇದ ಬೋರ್ನ ಜೀವಿಗ ದಾರ್ಮೈಗು ದಾನು ಮಲೈದು ಹೋಗ ಮನ ಪುಲು ಕೈಗ ಹೀಗಿ ಮನ ಪುಲು ಕೈಗ ಹೀಗಿ زرمين نيغيغي كما يوم خديجة ولا كما يوم فاتي ديني تسوغي نور وامي نور بغر موتو هنزا بندو بندو موتو هنزا شكادك كاسو هنزا إما كاسوم إماما إما هنغا يتهنزا إما كاسوم إماما إما هنغا يتهنزا ధర్మై గలాల ఇద పోరున్న దీవిగా mai wagano balai dongo gada mai ganala da boru da ni mai wagano balai dongo gada ai baba na zar mawa ai mo balle kai na nan zar mai ai kai yanno zar mai ai ba da yanno e ai gi to nya daino dine karmo i hawo zama kai ti ha magokko akurin ya hanna daino agaazanooga hambaa jihinkaa goon magaan agaazanooga hambaa jihinkaa goon hmm? magaan daalmayganala ida bawringa dhiimigan kaaj daalmayganala balaynoo googano waray daalmayganala ida bawringa dhiimigan hmm, hmm, daalmay waganu balaydoo googano ಕೊರೆ ಕೊರೆ ಕೊರೆ ತದ ಬರಮ್ಮ ಬಾ Mes chers auditeurs, c'était le titre Copto de Mahmoud Abdel Salam, un son qu'il a composé pour taquiner ses cousins à plaisanterie, les Il faut noter que Abdel Salam est un artiste, chanteur, compositeur, interprète, euh, et aussi musicien. Il maîtrise plusieurs instruments musicaux, notamment la guitare, le gambé et le gourmi, son instrument musical favori. Voilà, après ce moment de détente musicale, nous allons passer à la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans cette deuxième partie, Madame Yatingirimay Abdou parle de l'importance d'un internat dans le maintien des jeunes filles à l'école. Elle évoque aussi les principales difficultés auxquelles elles, sont, elles font face. na eh, su internat ba za mu cewa direktiman mahimmancin karatun 'ya'ya mata wannan kowa ya san shi amma 'ya'ya mata su zauna a cikin internet su karatu menene fa'ida a ciki internet na yana lite contre le mariage précoce yana lite contre le mariage forcé tunda duk yaran da suke ciki na inda ba su zo lakwal kinin ba da plus de 100 élèves da auren su da an musu aure tuni amma internet kinan ya hana a musu aure duka suna na cikin internet kenan in babar su ba ba su yi auren ba dc kenan kahin su ida scholastic su sun kai kuma ajikin auren ko yanzu ba su yi aribe ma sun koma kenan daidan auren. ne isa sanan tranfa wani su prejuge hakan ga cikin gari kamar babu wani jita-jita ana cewa kamar kuna hana ƴaƴa aure itusa eh, ba a rasa irin wannan magawan suna hori su lafkin da kansu ma suke cewa sun kai sun huce ajikin su a wajen su ba auren su suna cewa maza suke cewa su mutum ya girma bai yayi wasu aure su za su rasa mijin aure haka suke sai e kuma bulera shire ya kuke a mu sensibilization muke musu muke cewa su yi karatun su da a cikin karatun wannan kahin su koma garin su ma suna samun miji a nan ma mm. ko kwatsun sun yi continue sun kai can gaba sun samu miji mana to kamar wani difficulty ne su suke fuskanta a cikin interna yaran ma kan kansu suna da matsalar sabili suna da matsalar yadda suka ce yanka da har dabba biyu ma farju suke ake yanka yanzu da yamma babu to kuma shi kit hygienic da suna da shi yanzu da basu da kitkin a plaskin kitkin duk matsalolin da suke kwanta shi suke cicira su yi intelligence matsalolin da ya kawo mana yanke kawowa na wannan na nivo regional kinan ne na conseil regional kinan ne a shi ne matsalolin su sabili wannan duka maka samu da eh, abin yanka da kit hygienic duka rupture kinan na conseil regional ne sinon a lokacin nan da conseil regional yana kawa shi fam yana kawo mana abinci mai abincin da fam muke kawa da da ri hari ko da oil ne suke kawa da white ko yanzu sun gama mil mai sauran duka da kwandiman da sauran complement duka au niveau regional ne ake kawo mana to nasu da ya yanke shine yanzu yaran nan suka ce ba su gane ba duk matsalolin da kuke ga a cicira wannan duk da shi suke cicira suna kit da shi kit hygienic da shi matalan da suke kwanci an kamar endoscopy su ya sun yi cycle menstruation su ya zo da basu da cotton king oliyo da su utilize wani wannan fanyi ko guntun fanyi wani a matsalolin suke cicira sai su utilize kuna iya kokarin su kuna sensibilizansu muna sensibilizansu fa muna sensibilizansu muna yi musu sensibilizansu bisa in babu wannan ki ne kyau kuna iya utilize wannan fanyi yanzu su ne matsalolin nasu kuma akwai joni catan nan faraska dan tutule zai kwalma akwai suki ya hida musu ma'ana ya hida musu in ya tashi surtu in examin ya kusa ne a lokacin yake tashi duk sun tailakwal su zube a dauka a kawo su kuma yanzu harkar likita ma in ya tashi in ya dozer di mata sai mun yi deplace cikin dare ma sai mun ta sai sai e. daga nan zuwa sai sai e muna tafiya kuma akwai nisa a to a kalki 2-3 km da ina ci. ya kai ko 2 km haka nan ba ku da moyen de déplacement sai babu moyen de déplacement cikin daren nan ya tashi mai gadi ya je ya dauko ke da gidan shi ya kawo in ya so sai mu dora maladikin mu kai can nan yi traite sai mu komo kuma yanzu nan kama dush enter wannan ba su iya shi ba dush tan dole sai sun huta su ce sun tai daji to da dush kin su tan a cikin duk dakunan su na wanka duka akwai dush tan da suka ga dai yaran ba su daji suke tahiya aka ce su kure vite aller en aka musu dush ɗan kuna gani su uku nan to duk da wannan su dai su tsuguna cikin rami wannan ba su gane shi ba sai ce su dai sun tai daji in su tsuguna ba su iya yi shine dai difficulty nasu wanda yanzu har yanzu ba samu kan shi ba bayan haka kuma an ce a refektuwar abincin da ake dafa musu masu dafa abincin su ke nan gai to a cin benevolan suke da su da guardian duka suna nan sun yi abincin su su wane le wannan kin le kizunet kin yan gari ne yan gari ne su el sawo number de 6 plus le gardien sunset to su shidda wannan duka da gaba dai suke avec l'arrivée de l'intendant sai raba su so biyu ta turwa turwa yau turwa in sun zo gobe kuma turwa wannan su zo su yi in sun yi abincin su suke dauka suna tahiya suna ci shi ne kuma fin trimester abin da ya saura kingi intendant ya ba su wani shinkafan su wani hatsin su shikenan to ko akwai wani kira da kuke son ku meka in ma zuwa ga magabata ne to mu kiran da muke yi dai sai ce yaran mu da suke karatun wannan Allah ya ba su sa su yi wannan kin su yi arrive kuma wanda za su nuna gaban ma Allah ya bamu masu nivo wanda su ma su yi su zo su yi arrive kuma Allah ya sa gwamnati ta ji kiran masu kizine masu yin wahala wannan su ma Allah ya huda musu su. na ji kuna zancen mantora eh, menene eh. mantora kenan mantora kamar ku da remediation ne ake ma elef kin wanda basu da nimo akwai yanzu yaran cesium ne ake ma daga ministan ne aka yi finance san vendo elef da zelef da cesium aka dauka akwai ah, an ah, en an mat an cvc kuru uku ne ake musu ana musu faranse ana musu mat ana musu cvc mm, yanzu dai sun zo sun yi evaluation sun gani akwai amelioration mm-hmm. ne da mushannunsu ne suke mat faranse mu kuma muna musu cvc mm-hmm. competence de la vie courante mu muke sanye da ni da surveillante da akwai professor kinsu civicar biyu kuma da dai enseignant na primaire mu shidda ne ma to mu dai e za mu ce abin da za mu ce internet kelen dai Allah sa badi ma kuma a samu mantora wannan IC birkin su tunda akwai amelioration sosai ma akwai sun yi test ma sun gani yaran wannan paraport da spray test da post test da suka yi post test kenan sosai ma akwai amelioration sun gane to Allah ya sa wanda suke kama mana kuma su yi continue badi ma ya e tayi bisa yaran wannan Allah ya hudda e, mu kumiya mu duka Voilà, c'était un entretien que nous a accordé Madame Girimay Abdou, surveillante à l'internat des jeunes filles dès qu'elle est dans la région de Zender, et qui rappelle dans un premier temps l'importance et la place de l'internat des jeunes filles dans le maintien de la jeune fille à l'école en zone rurale. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, un sujet crucial nous attend ce matin dans la rubrique environnement. Il s'agit de la dégradation des terres qui fait partie des impacts du changement climatique constaté au Niger, une situation qui a pour conséquence le faible rendement agricole entre autres. Et pour y faire face, l'État du Niger a depuis quelques années initié un programme de restauration des terres dégradées. Des millions d'hectares ont été récupérés selon le colonel Soumane Issoufou, chef des divisions restauration des terres et lutte contre la désertification au ministère de l'Environnement. Il est au micro de Asmane China. En termes de dégradation des terres, on a au Niger les dégradations des terres liées euh, dégradation biologique, dégradation physique et la dégradation chimique. La dégradation chimique, c'est tout ce qui est perte de fertilité des sols, qui entraîne la salinisation ou les des sols lessivés. Et ça, c'est un phénomène euh, récurrent un peu partout au niveau des différents écosystèmes qu'on rencontre au Niger. Maintenant, la dégradation physique, c'est tout ce qui est érosion hydrique, les ravinements, la formation des coris et aussi on a l'érosion et la dégradation biologique qui est la déforestation, donc la perte du couvert végétal au niveau du sol. Quelles sont donc les méthodes euh, de récupération des terres dégradées et comment sont-elles mises en œuvre la, En termes de récupération des terres, le Niger a une euh, vraiment expérience dans ce domaine et nous faisons le traitement mécanique et le traitement biologique. Le traitement mécanique, c'est tout ce qui est réalisation des ouvrages de conservation des eaux du sol et de défense et restauration des terres. Et le traitement biologique, tout ce qui est ensemencement, plantation. Et maintenant, le tout, c'est ça qui permet de récupérer les terres dégradées avant d'arriver à la restauration. Parce que la restauration, c'est un processus qui peut prendre au moins 8 à 10 ans on traite le sol, on essaie de récupérer, on accompagne le processus avec des actions de consolidation et on finish, on arrive à des terres restaurées. Quelles sont les bonnes pratiques euh, en matière de gestion durable des terres récupérées Les bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres récupérées, comme je l'ai dit tantôt, le Niger a vraiment une expérience verrée dans ce domaine et qu'au niveau des communautés, plusieurs pratiques actuelles sont maîtrisées. Je peux parler de la RNA, je peux parler des techniques de compostage, je peux parler des défrichements améliorés et Vraiment, c'est des choses aussi que les paysans sont arrivés à un stade où ils ont compris que ça permet d'améliorer les bases productives et en fin de compte améliorer les rendements agricoles. Quelles superficies de ces terres ont été récupérées De 2016 à 2023, on est à une situation d'environ 1 500 000 hectares récupérés. Et ces actions de récupération ont eu comme effet la réconstruction du couvert végétal au plan écologique, le retour de la petite faune au niveau de certains sites et au plan social, c'est des actions qui ont permis de renforcer la cohésion sociale parce que c'est des activités qui procurent des revenus aux communautés et ça les permet aussi de développer d'autres activités génératrices de revenus. Et ça a atténué l'exode rural parce que par avant, il y a des zones où juste après la saison de pluie, les populations préfèrent arrêter dans des villes pour pouvoir au moins traverser cette période. Mais aujourd'hui, avec ces activités, beaucoup restent sur place pour gagner leur vie sur place, loin des humiliations et des vicissitudes de la vie, parce que tu es dans ton milieu, dans ton terroir et avec ta communauté. Maintenant, il y a aussi l'amélioration de la qualité nutritionnelle, parce que ces activités de restauration des terres permettent aux communautés de se procurer des produits écosystémiques qui rentrent dans leur alimentation. On peut prendre le cas du moringa aujourd'hui, qui a tellement de vertus et que maintenant, ça vraiment permet d'améliorer la qualité nutritionnelle de ces communautés. Est-ce que ces travaux de récupération des terres continuent Effectivement, ça continue. Aujourd'hui, avec euh, le programme de Résilience pour la sauvegarde de la patrie, on a un ambitieux programme de restauration. Et mieux, maintenant avec ce programme, on veut évaluer à l'échelle nationale la superficie de terres dégradées. Pour faire une bonne planification, il faut qu'on maîtrise réellement à l'échelle nationale on a combien d'hectares dégradés. Et que maintenant, sur cette base, chaque année, il y aura des investissements pour pouvoir relever les défis. Et ce programme de 2024 à 2026 du PRSP va permettre, d'abord, on fait la cartographie et après, on passe à une planification pour pouvoir faire le programme restauration. C'était le colonel Issoufou Soumana, chef des divisions restauration des terres et lutte contre la désertification au ministère de l'Environnement il était au micro de Asman China. Chers auditeurs, après cet entretien, je vous propose de souffler encore une fois de plus en musique avant de continuer notre émission. Voici donc avec plaisir Tobal de Dosso qui nous chante Kaliban d'Alfaga. Kalibanda ngafadani hanga periga tinga inkado kama isalla galibanda ngafadani hanga periga tinga inkado kama isalla alfas minya mwaga temani galibanda ngafadana mwana so alfas kormatas kwai kalibanda galibanda ngafadani tewaya

sakori bambataya alfat don kaman koi kwara kaliban la kalfa jada koi kwara diniya tura boga koi kwara pai be na na takwa koko bambata bamush pare ati sanli sindini amoi sandare dinga bai matur ka bai ka hannalin wobi no dagadi ka saka meraita no dagadi ka saka meraita da mai can matur ka bai yin dara wi za dai harafa mu na bije wayo bai dai kori lalana Kwalta koli bambata ya Ali Banda chers auditeurs, c'est le titre de ce magnifique morceau de l'orchestre Toubal de Dosso que vous venez de savourer. Une chanson de l'artiste Feu Dernier, qui est le chef de cet orchestre Toubal de Dosso, l'un des meilleurs artistes qu'a connu le Niger, à son Nous allons maintenant faire un tour à Mangaise dans la région de Tilaberi. Notre rubrique Éco des régions touche aujourd'hui un sujet déjà abordé dans la partie entretien du jour. Il s'agit du maintien de la jeune fille à l'école. Les associations des parents d'élèves de la commune rurale de Mangaïzé ont fait de la sensibilisation un cheval de bataille pour l'inscription et le maintien de la jeune fille à l'école. Le taux d'inscription des filles est plus élevé que celui des garçons, mais la plupart de ces jeunes filles rencontrent des obstacles qui les obligent à mettre fin à leurs études. À ce sujet, Boubacar Abdou, directeur de l'école centre de Mangaïzé, est interrogé par Abdelaziz Hassimi alwati kara lakalkana sinu da bayan wai bore gana ga lamba matanu hun kunu zanka hondi yi wana cew yango goga te war wani la kolera de kulo sin kan zanka zambar fo zong hinzan de waycin hinka o breze gunga bor zonga hakkundi waycin di hinza dino de harewo recrutement de harewo breze sig fréquentation sig taban to de mokul sensibilisation qu'est-ce que te gudu bon fait de o bredo har c'était ngi fam wat zanka lo kulize o breze mene me cew mene mpi go kande o kande sanda ka gidi te suivio dam re zanka go breze go cew ngi di en fond hali to collège din ngere kulu uswe ko fun uswe ko hijidin sanda wodo non kunna bo ngode tewna bani bim sus me mais rekitema wo tabarakal ko kan wo bay zalmat muso kala kursin kan sambe kulu rakan wo brezi man badar brezi akul mu e furo ko jese bore din no gidi sarmat muso no hali izan yan da iza babai kan yan gida hankan man himan dara wani fondan ki sambu bore din mo no izu we hijandi din fonde ko wonde tikin circulation ni go gabanda gaba wat kul gon bon fere gitero ni mo bre famandi woni wo wani go famandi kulna fay fodi wo yi ngade ni woti ar mbero ki woti zirina mo mo den go dago ti do kone ken abon aran diyon ga fon fon no yihim ga sambu kanganan zan kaiwo ima kyau imingi labo na fa imingi wani here na fa wana wana zan kawai boreze fonda zan kai ba accompagnement imi suivre digo suivre ko dir ko bay ga ce dange here midi ese zare kiti ma kan sigi sande go kan zangla kuza dadi chodo haromo zanka si im si more zankai mi stam tu gumo im nam kan la kodona fondu da go gax har matu zanka si kan nigi te go koy izinya ngai izu gomno to da e la kolize won hairai sa ta duhare wana wana zanka way bo reze imi dal la kol da lakol iminan yimi kyau ya mobo izin yanga et ci fil watu ci se wo bare wo a wan tarbiya cew nga ta wan nga ta riba al wo ba aman cew a fo a ginga kun ko jiti wo bor wo da sin amma nun kam wakar da hi jahinu a se ga maro fer gumu nga sin wa tuji ga fil ga wo bare si zankai wo bare zidin arma kai ga di sin kai ga cew zam di go ga mun wala tonton go ga di no kulu wo bare kan kan do goma man kai ni go te kun sin wa tuji na sa te wona mo kan gono te ko je sin wo dinga mo wa tuji di sin dirse kan ga manu kan kan yanga di wa tuji imi dirim di no bon frat go be no bon feri

Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et à présent, on passe à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Sario Adam Yerima. Bonjour Adam. Bonjour Fanta, bonjour Ruki. Bonjour Adam. Alors, euh, nous débutons ce numéro sportif hein, par la 31e journée de la Ligue, de la Super Ligue, n'est-ce pas Adam oui, Fanta, à trois journées de la fin, l'AS Garde nationale reste toujours en tête de ce championnat. Ce soir, la Garde sera opposée au Sahel Sporting Club au stade municipal de Niamey à 16h. Samedi, l'AS Police jouera contre la Renaissance de Bukuki et l'AS Douane sera opposée au Sahel Sporting Club. Et demain, quel est le classement général À la fin de la 30e journée, l'AS Garde reste en tête avec 60 points l'ice Fan juste derrière avec 57 points, l'ice Nigelec troisième avec 53 points, l'ice Douane quatrième avec 48 points et l'Union sportive de la gendarmerie cinquième avec 45 points. En bas de tableau, c'est-à-dire dans la zone de relégation, nous avons le premier relégable le Liberté Football Club de Niamey, 15e avec 26 points, le Tagour de Dosso, 16e avec 25 points, et enfin la koukana FC Dalit, 17e avec 21 points. Et Adam, parlons à présent des demi-finales de la Coupe nationale. Ce soir, l'Union sportive de la gendarmerie se, déplacera sur le terrain de Wombe de Maradi pour tenter de confirmer sa place pour la finale après une première victoire au match aller sur le score de 4 buts à 1. Rappelons que la première demi-finale a opposé l'Aisfan contre l'Akokana d'Arlit, victoire des forces armées nigériennes sur le score de 5 buts à 3 sur l'ensemble des deux matchs. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui et à demain pour un autre numéro en compagnie de Hassoumi Grouza. Merci Adam et à bientôt. Chers auditeurs, place au portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Djogui Ennis. Oui, âgée de 25 ans, de nationalité nigérienne d'origine béninoise, Djogui Ennis est une étudiante à la faculté des sciences de la santé à l'université Aboumouni de Niamey. Elle, est aussi une passionnée de la danse. Son portrait avec euh, Ali Moukaila Ousseini alias Seno. 5, 6, 7, à mon signal, on va sur le côté. Ça fait gauche. 5, 6, on tourne à droite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. De taille moyenne et teint noir, Degui Ennis est une étudiante en cinquième année de médecine. Au-delà de son dévouement pour ses études, Eunice est également une danseuse chorégraphe et formatrice, de tout style de danse confondu. Eunice explique comment elle est arrivée à se professionnaliser dans la danse. La danse, c'est un art que j'ai commencé déjà très jeune, vraiment depuis mon enfance, déjà toute petite, j'ai commencé cet art et en grandissant, j'ai décidé de le professionnaliser. Donc, j'ai commencé dans des groupes de danse, puis arrivé à l'université, j'ai rencontré des personnes qui partageaient la même passion que moi. Donc, au fur et à mesure, en donnant des cours de danse, j'ai fini par ouvrir ma propre compagnie de danse et à la fois donner des cours de danse dans cette même compagnie et aussi d'avoir avoir à prester pour des grandes compétitions. Comme tout autre métier artistique, Eunice fait face à des difficultés dans la pratique de son art. En tant que femme, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre. Il y a déjà le stéréotype qu'on donne à la danse ici, l'image de la danse qui est un peu comme euh, quand tu es danseur ou danseuse, c'est que tu n'as rien à faire. Encore plus quand tu es une femme, c'est que c'est une façon de relater la dépravation des mœurs alors que c'est n'est pas du tout le cas. Tout dépend de la manière dont euh, vous aimez la danse, la manière dont vous l'exprimez et la manière dont vous montrez aux gens qu'elle tient pour vous. Malgré les difficultés auxquelles elle fait face, Eunice ne compte pas abandonner sa passion. La danse, est mon sac à main, c'est mon sac de poche. Ça veut dire que je vais partout avec. Même si je suis étudiante en médecine et même si tout le monde pense que la danse et la médecine ne vont pas ensemble. Pour moi, la danse, est une façon pour moi de m'évader. La danse, est une façon pour moi de m'exprimer. La danse, est une façon pour moi de montrer ma personnalité. Donc, il n'y a jamais de Nice sans danse. Maman Tahir Boubacar, son partenaire en danse salsa, témoigne de la dynamique et de sa compétence en tant que danseuse. Pour commencer, UNIS, euh, ça fait pratiquement plus de 4 ans qu'on danse ensemble. Donc, nous dansons la salsa en partenariat. Et elle, depuis 2019, ça va faire à peu près maintenant 5 ans, elle a commencé à donner des cours, des workshops, des ateliers. Ça, c'est sur le côté formation. Maintenant, ce qui concerne sa performance à elle-même, je peux dire que depuis que je l'ai connue maintenant, elle n'a fait que évoluer dans le domaine. Parce qu'avant, qu'elle, je la connaissais, danser traditionnelle, seulement traditionnelle. Puis après, elle a commencé les danses afro. Avec le temps, elle a appris aussi les danses euh, copées décalées. Elle a ensuite enchaîné avec moi-même en salsa, en kizomba. Et d'après les dernières nouvelles, maintenant, elle danse même du b-boying, du breakdance. Ce qui fait à elle seule plus de 5 styles. Ce que moi je veux dire sur elle, c'est que c'est une fille très très dynamique, c'est une fille très ambitieuse. À travers chaque pirouette et chaque battement de cœur, Eunice transcende les défis pour faire de la danse non seulement une passion, mais un véritable mode de vie. Voilà, après ce portrait réalisé par euh, nous allons écouter de la musique. Je vous propose ce titre Rumji de Gazband. Voilà, chers auditeurs, après, après, cette euh, belle sonorité, il est temps pour nous de retrouver les femmes du studio Kalangu dans la rubrique Loti. Propager des ragots et fausses rumeurs sur autrui et néfaste, un sujet que les femmes du studio Kalangu abordent avec sérieux dans le Loti d'aujourd'hui. Elles explorent les impacts sociaux et émotionnels de ces comportements dans une discussion entre Rekia et Aminata Boubakar. Loti. <laughs> Lati. Lati. Lati. Hey, hey, Aliya gungum. Hey, ifa no gogi tewo, ifa tsayi gungum. Son dare hina ne di bismot kira dinaga, ai si ba am di ir. To kalamate, ifo si, ni kyorono, ayya ai bayyan waga zakir na kurana. irsin da kyar labari. Ah, aiwo kaman ta cewa ni mal mahaika te hanna sinu. Ifo na ta se. Hmm, ine kan ingino na hanna safar, a sai no hanna sin da ba ni mi. Mhm, mai no kini se yadin. Kura borai no goda gidirgi ci yadin. To ki ai se, ifo ma ga se no rahina ga wadin ta se. Hmm, zam se rahina wo no zunomi. A gwanda a rusu hanna yanda a rusu no rukoniya. To rahina bin da ingino ya sa sasi. A sai no akwai ga safar. rahina mono ya talkai zinu a ga can sedeno akwai gasafa irkoi beri na dira ni bun bosa nowo ni ba bai matukan no abon wogo gada haifa ma hakoi dinbo ni ga bai kan arsilam taraira haubor gayan zunubu beri no soko bun boda ba ni ga haya bai ni di moni moni si ba san no bon ai bai ayya bin da haikan ai ma man ba san nono wadini ine kan duma iz doro no na di nadira ma hagoydin watu wato kul na gine ni sai mafatta hayai wura ga kaga da sanni sanni foyen hangan hmm ya dinnu amma da kimno don ni sanni fallan kaki yayi si hmm nadira da kimino ayo gane ni sai kan an dunya wo sara ni mu wangi boro a wani harose ni di kan harino kan bore to ni di masabun da haikan goni sai ama beri ni ga barfo wani masin moka da kimino nadia. wadi ma ga sai ni gine ni wana mu beri ni ga ya dinnu ni gicim hmm. son dai ne ni bumbo ni goken sai ga binde hai fai chwaga mutuno ni te go wane mi lai ga to ni di wala matkan ni ni mondo ma dan kyarra ya kinu no rahina bumbo da ai bai di ma sanno bina ga sara mm, ni gicim to bisa irin mirfan dadi amma ai gogin hanga kendi hino dindira hina masine nigtugutugu nikkoyga Diga woki aman hay irse yaadino yaadino <laughs> Merci les filles pour vos conseils. Chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique. Et justement, Rukaya, nous sommes avec Alassane Abdou, le rédacteur en chef du studio Kalangu, qui va nous édifier sur le mot désertification en français en Zarma. Bonjour Alassane. Bonjour Fanta, bonjour euh, Ruko. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un mot, d'un mot qu'on entend toujours prononcer, surtout par les Sahéliens et en particulier les Nigériens, c'est la désertification. On dit la désertification, c'est un processus de dégradation des sols sur le long terme. donc euh, honde sanno kan boyir kuwaksila ir wana hangan kai se mantakal sanni zufo kan wat kul wan bore kan gan sar se igine eh, kugande beru fo irne kugande beru zam ku ganda na gonu ku ganda bero ku korbando bore sine kal tanera za ina tanera go ka bore ga baika isi kala de zero ga de zero mo manti kala zine de zero bore yang isi de kala agadez amma hun kuna de zero woni wo labo gergera kurra a gono ku ganda bero mo ikika harno kan aga ko gite girin de giri yang banda alwati bandaga kan tursi harsi labo hasara a kagar mu kan kogon da kai na gono kan sigan sa saniga shi sera singuo har jangai no kata wat foyan da kai diya mante da har si batmara gari labogu kortu kortu amma waru la boma kogu won seno a sanara igine seycheresa aga fayen kanda kogondi yam beero kanga ti désertification bonbon yani ga wokirga babo ren fam daga ti désertification kiga ciwo amanti ko gondi yam bambata kanga ti alwatu kukubu jirai da jirai no agate halla boga hasar sam kan watu fondo borka batamara hakun sidikal tasu gu beereydin ndimo harga kasu watu fon tondi beri beri laali yankan yango batamara wo sinir kak bore famande im kak fen kem bero wo tar kanga ti ko gondi yan kaina da ko gondi yan bero da ker gamara amma tamma kan harimono kan ana andu nyabore kul lakkale ka igana andu nyabore kul lakkale sambu zama anema nema barbare kan go kairga agoginan hirwone yango ko tabbatu labai kulra matni gitte wani sabu sino an dunya wani hubero akwe ka zari bambata goren da harkan gaci wani sai an dunya kurra kan sigina anasar kinga la journée mondiale de lutte contre la désertification et la chasserie sanga e, zari bero ki an dunya kurra kanga ga dukuna im gurga de kugandi yam bero di ikaina bumbum zama har yenno kandi di ko ka bagumo ikata ga sande zaro mo ki kamantakala juwa hando a kindi ya jiri kuldatu kalin bore lakkala candi war ma bayya go ka war ga war ma bayya go ga man war dir man lakka hino bore ko kina ga isa ga da hori sara irgi isa dangandi dir dangandi ka dir ko kurla bu ya ni giram ka ga turai duma irma bai funden kirgi sambu kanga dukuna ir alhala irmi barmai kanga dukuna mu halka su irin gurgai da gurga gurgamo kadir mu tur dima kadir mu bai haro kan girse mat kan muradin da irma sa batmun irma bai mu fonde kirgi sam kan gudu kunan labo mu tai am su kogu Euh, merci pour euh, ces explications. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots, expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en zarma, en tamaché ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, Fanta, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Sunana Suleiman Idrissa Muhammad nan Arlit Na yi da da yanayin maharorinsu da komi. sunana mustapha ashil ina ma al'umma musulmi barka da sallah Allah mai tamu kuma don mabuta saurari studio kalangu ina muku barka da sallah jagororin studio kalangu inda sun samu ne a dan kara mu shirye-shirye da dama wanda dai zai samanto matasa suna samu ci gaba kuma ya samu waye da kai matasa salamu alaikum jama'a suna na furira alfa daga na arlita ina muku barka da sallah Allah mai tamu na baɗi to dangance da shirye-shiryen studio kalangu gaskiya alhamdulillah muna jin daɗin su muna sauraron su abinda dai muke so bisa kan shirye-shiryensu lokacin ta da suke da ɗauka minti goma sha biyar in son samu ne da su ƙara mana da kai minti talatin ko in ya yawa minti ashirin haka dai. da ɗan nijar wanda ke nan arlit a gaskiya babu abin da za mu cewa ga studio kalangu sai san barka sai mu ce ubangiji allah ya ƙara musu basira da hazaka gaskiya ai da gaje sunan shi ma to ka san ai da an ce studio kalangu to ka san abu ne wanda ya shahi ba kai tsaye ko ba gaskiya ba saboda ka ji an ce kalangu to ka san ai ana magana kiɗi ne a matsayina na mawaƙi kuma ina ƙara jinjina musu ina ƙara tura musu dubin gaisuwa kuma ina musu barka da sallah ba sannan ina kira kuma ga duka yan ƙasa ga baki ɗaya waɗanda suke sauraron studio kalangu su ba da azama su ba da himma sunana ahmad assala ina garin ciro shirye-shiryen da ke burge ni cikin studio kalangu akwai labaransu wanda suke wannan ina jin daɗin su sosai da kuma na fada da wannan da ake yana ƙayatar da ni ina jin daɗin su a ah, babu gyara cikin abubuwan su ina musu ƙarfin guwa Allah taimaka musu su ce gaba da aikin su muna shuraren su gaskiya muna jin daɗin labarin su in bin ji labarin su ban ma jin daɗi suna na jana ina sauraron studio kalangu garin ciro shirin mata wanda suke yi ranar talata da shirin su na matasa samji da dimash yana kayatar da ni muna jin daɗin haka ina jinjina musu Omar Awais a Ciro shirin studio studio kalango yana kayatar da ni sosai sirtu le samedi inda ake akci de jeune da wannan ga shirin da kuke yi na message zoditar shi ma yana kayatar da mutum dan kana nan ciro sai ka ji murya ka hanya mai kenan kowa ya san da ciro tana existe shirin mata na kwace talata shi ma gaskiya yana fadakar da su lokaci hamad sanda kolbu wato kulu i radio kalangu hangan za dai on zero riga hangan da lasar gurgu wani ga hangar wata kul irgo gini hangan sigire go kani se chotara jabu mono irgo gini hangan duwa kundi gudu rajo kalangu am am kai dai inga bonga sak i ga hangana se dum salmada dama sire sigire ka go gete wallahi a kani se gum gum gumo a gi bonga iye kwara a gi lakale ye kwara ir sabura jo kalangu se gum gum gum eh, sunana rabi male landa stylist uh, modelist cikin jihar tawa studio kalangu ina sauraren shi kwarai kuma abubuwan da suke nan suna yi suna burge ni kwarai saboda kaga suna iya maka abinda da kuɗin kama baka ibe a yi maka shi tunda ka ga na ɗai sun taba zauwa ta rana sun ka ɗauke ni bisa kan aiki na sun ka min tambayoyi ayi ɗai ayi biyu kuma na ga mutane da dama wanda sun kai ma wannan abin to wannan abin idan ka ce ka zo ka biya a yi maka shi ba za ka ibe ba ka gani wannan abin vraiment yana da amfani kwarai bisa ga abin da suke nan suna yi duk abin da suke yi abu ne mai ma'ana Et nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsu et Ruketu Abdraman. À la technique, nous avons Abdelkader Chambiano et Adam Adawachi à l'édition.